nous célébrer un euh, anniversaire où nous nous donnons tous les grands artistes euh, euh, francophones alors moi nag mu avec Cherlo ak Cheikh parce que Cherlo, il faut rappeler que album bi nga xamante est que le 25 mars album le beau Andando ak de yu Brésil déjà c'est de la parce qu'il y a nga ligue avec ñoom et que mom itam mu ngi France ak qui artiste yo artiste euh ni tànn nga alors bala album bi di euh, génn da nga génne IP wala EP alors bokul ak single d'habitude single moy ben way bo gisee les artistes yi xewal liñu tuddé EP wala EP dañuy jël lu tollu ci ñet ba ñenti way ñu def ko euh, ci euh, ben CD donc bataille du à ak album donc lolu moy différence entre entre euh, single avec EP et que EP les la donc cher Lo euh, defe naa album bi li nga ci ko parce qu'il y a même une version bu lu voilà donc on parle de l'album. Ok, -huh. mm -hmm. ok album bi déjà ñu koy tuddee euh, Balballu. Mhm. titre moo nekk déjà. waaw déjà y a « dëgg gi il y doyal nañu. balballu titre éponyme bu album bi. Euh. Je pense qu'on a même le titre, Mon Mononko Deglouale, en même temps en sous-impression, parce que moi, ce que j'ai écouté, ça m'a plu. Je me rappelle hier nuit, euh, Mouille euh, Balbaloubi, ak Degugi plutôt Degugi, Degugi, Manko koy déglu démb ak xarit Seliwan on a tellement apprécié qu'on s'est dit ce serait quand même bien nous Maïlen leen découvrir way bi est-ce que Top Mon nga ñu ko nous tuuti ñu ko parce qu'actuellement Cheikh Lo li paraît, Sénégal gidakalai ngadau jidagi kidagala kidagi dagi jidakala Tidak, tidak, tidak, good love. Thank you.

Nichikanauda kakanuma Niurimana numakantupi Dechuklu chita kiki dakana Sawaramaya Sawaramaya Sawaramaya

Sénégal parce que beaucoup de gens ont nga tout tout a feccu tuuti comme euh, mbalax euh, aussi groove Mali passage bi aussi on a tout oriental d'accord tu sens un peu de blues aussi qui ok quel mélange ndigal eh quel mélange nous nous hein. ñu déjà ñu ngi mais pourquoi ce soir hein Fixi un grand artiste qui nous a rejoint merci d'être là alors euh, euh, euh, parle-nous de ce de ce travail avec avec avec Cheikh ah bah cher, on se connaît depuis longtemps parce qu'on s'est croisés euh, en Angleterre, au Barbican, dans une grande salle. On avait fait un concert parce que moi je travaillais avec Tony Allen, uh-huh. qui est un grand batteur euh, du Nigeria, et Cher euh, était avec nous ce jour-là. Oh. Donc on s'était croisés, appréciés. Et donc il m'a fait le plaisir de m'inviter sur son, sur son sur album. Son album. Voilà. Donc j'ai mis ma petite, euh, petite magie, ma petite touche. Voilà. Alors cher, je pense que Nathalie, tu nous racontes un peu l'histoire de cette production, hein, l'histoire de cet album. Quel euh, projet album du judo Parce que 2010, le budget def euh, album, si je ne me trompe. Ah ba a entre Sénégal et bitim C'est ah euh, seen yu mag yëpp yaa preuve Brésil quels est le projet album judo euh, depuis 2013. Euh, j'ai mhm. commencé à euh, réaliser euh, maquette bi mhm. Mhm. donc en 2014 bi. mois de juin qui lañ dem enregistrement en Suède. donc toute la grosse partie, mm groupe, avec, évidemment quelques invités, ils donnent 20, Euh, ak un bassiste suédois aussi un mhm. pianiste mhm. ak groupe bi yëpp mhm. ñu enregistré foofu pare ñibbisi ñooñu invité woon ci night show bi dëgg la après léegi quatre mois après octobre ma demaat Paris pour def ay additionnel euh, mën a rencontré les Flavia la brésilienne la mu def ay prise dugal voix yi euh, ak Oumou Sangaré Euh, donc xam nga ci laay ngi def ay yenn additionnel une voix mo ron doli fofu foofu. ok yenn kii batterie voilà. pourquoi option Bob légui waxna ko parce que euh, ce dernier album euh, Sénégal Brésil ça a fait le tour du monde ngay génnewaat album il ci ñeneen ñoo xamé ni duñu ay sénégalais ah Oumou Fiximi brésilienne bi nga xamante actuellement mu ngi au Sénégal pour ngeen présenter album bi pourquoi ce choix d'ouverture. parce que xam nga musique

Euh, enfermé dans ta coquille. d'accord il faut s'ouvrir. d'accord d'accord comme nous ndaw si que même nous on décolle koy 5. que ñuy wax ak Fixi parce que je sais qu'actuellement il est en train de tout faire quand même pour mieux présenter ou mieux montrer son euh, son travail d'artiste ou son ou son talent voilà, ses talents aux Sénégalais euh, Sans que ñu commencé yeewu leen bi euh, dañu question c'est une question collective alors la question c'était reste Cheikh Lo yi at la am 40 ans bii su joxe cinquante ans. yaa joxe euh, vingt huit ans. waaw mais attends euh. kii joxe cinquante ans cent vingt trois ans la ah yéen it léegi léegi ndigal yaa ci toll ba ñoom ñu ne. c'est resté un demi siècle. Ah. c'est déjà. <laughs> ki day yokk de non ma léegi doo ma. non euh, njañ yi. Ah. mook sama taw bu jigéen ñoo maase. may kii daal wala. non non non Ndeylo. Ndeylo d'accord mo ngi ci comme yéen mi ngi ci radio fatik waaw euh, mi ngi sey fofu ok euh amal na ma ñetti seut macha allah ñetti ñaar Mohamed. Uh-huh. ak ben Baye Lahat. très bien donc kooku année bi muy juddu 84. j'ai eu juste. 84 ça ça fait quoi ça fait juste 31 ans. 31 ans même année bi muy juddoo laa njañu. Tu mosoo ko dagg. ah non non non nous naa dagg tuuti nag. boobu maire bi moom moo doon sol ne ma sa si fii laa gëj ok mais normalement rasta yi ñaata euh, mètre lay mesurer kon. ah non je sais pas je l'ai jamais mesuré. Hein. est-ce que mën naa ko mesuré mesurer léegi. non mais allez je mesure les amuloo centimètre bàyyi bàyyi sama loxo centimètre la bàyyi ma mesurer non attends xam mètre fan la ah mètre fan mètre fii la normalement mètre non mètre fii la fii ak nii Pape Cheikh ba fii léegi voilà waaye ñu seen loxo ba ay waay di nga tas coiffure jàmbur amul problème non Pape est-ce que du caat jëlal bi fi suuf voilà xaaral ko <laughs> manqué de mètre Ben reste Cheikh Lo. un et puis nous on adore le style euh, style bi nga xamanteni ni nga adopté depuis le découvrir le euh, defe naa nga et puis depuis li qu'on deglo c'est sa dafa la depuis a depuis Nella Thiass depuis Nella la d'accord on avait réalisé ici si Ouais, ouais, ouais. xam nga nit ki da ngay dugg ci ben affaire uh-huh xam li lii sa wéy la mu nekk sa caché uh-huh. nga téye ko foofu. donc style bi musul changé. musul changé. Uh-huh. album bu mu ci mënta doon. Uh-huh. certes dinaa def ay yeneen changement kii mais am na ci euh, benn touche boo xamante ni chaque fois naa arrangé ba andi ko rek. xam ne booy booy voilà booy dégg rek balaa sax muy kii nga naan nga ah. ci kii Cheikh la war a doon parler. je crois que loolu aussi dafa am solo. dañu xàmmee sa loxo en fait. voilà voilà voilà alors Fixi. Euh, depuis très longtemps, vous travaillez avec des artistes africains. Euh, avec Cherlo, vous vous êtes rencontrés. Et là, l'album euh, Balbalou sortira prochainement. Mhm. Est-ce facile de travailler avec des artistes africains Ah, savoir le il faut avoir l'ouverture aussi, comme dit Chèque, il faut sortir de sa coquille, c'est pareil euh, pour, nous, pour tout le monde. D'accord, c'est pas la première fois qu'on travaille avec des artistes africains, alors pourquoi ce choix d'aller à la rencontre de ces artistes-là Je pense que c'est le hasard aussi de la vie et l'envie de, rencontrer d'autres cultures de trouver d'autres rythmes, d'autres couleurs musicales. Moi, il se trouve que quand j'avais 17 ans, je suis venu au Sénégal, par exemple ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Euh, je suis allé à Marloche, c'est un petit village aussi une salon, mhm. et euh, j'ai appris la musique sénégalaise, les rythmes, etc. Le rumti, c'était le rythme euh, qu'il y avait là-bas. Mhm. Et du coup, je pense que c'est rentré dans, mes, dans mon sang, dans ma, dans ma tête, dans mes, dans mes Dans les veines mhm. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens bien avec Cherlo et j'ai envie de mélanger, d'apporter mon, ma, culture, ma musique et de la mélanger avec euh, la sienne. Voilà. Alors, cher, album B, euh, le 25 mars, les gains, mais Gisnani, la plupart des artistes YouTube, beaucoup utilisent, entre autres Fixi et Brésilienne Bino, nous sommes au Sénégal. quest de prévoir avec euh, nous Déjà, c'est pour euh, le lancement album B. Mhm. Ça va se passer le samedi 21 mai. Samedi 21 mai, hein. Just, you. oui, Donc, Bon, je ne crois pas tellement trop que, que Oumou par rapport à son programme. Mhm. Peut-être nous Mais Bouni de sortie à, à Paris. D'accord. Euh, je crois que c'est plutôt mois de juin. Hein. Mm Quel mois juin il vérifie si Parce qu'album le 23 mars 2015, euh, le Non, c'est mois de juin. D'accord, d'accord, d'accord. Pour tout le reste des autres chansons. des autres chansons inédites, donc le mois de juin ça veut dire que bu on va s'arranger à Paris il nga que nous ñii ngi que Suède c'est à côté quoi sommes à Paris qui bon pour essayer de rassembler mm-hmm. tous ces gens qui ont participé qui, mm-hmm. ont contribué mm-hmm. voilà pour nous du joxe sonorité d'accord mais dans un premier temps pour nous, nous bëgg avant bu album bi ak EP samedi bi euh, bu ñu Just For You dinañ jouer yëpp euh, non non jouer déjà morceau yi ñu teg ak euh, amna ci benen morceau bu xam naa moy moy seen genre comme ay genre lu tax yooyu. boobu mu ngi tudd gëmuma ko. gëmuma ko euh, gëmuma dafa wara génné ci album bi mais waruñu ko woon jouer mais comme affaire bi ay balbalu yenn genre afro yi. Uh-huh. c'est bien c'est est écoutant mais xam né ne ay morceau xamné moy mooy gën a yëngal sénégalais yi tuuti. Euh, ma defal gars surprise ni morceau bobu quand même uh-huh. on va le jouer. Uh-huh. Euh, le samedi on va jouer ce morceau quoi. yeneen yëpp ñu bàyyi de sortie bi. super alors di nga ñu mosal un titre avec sa guitare. fixi ak accordéon parce qu'on a très envie quand même dundu li nga xamante ni Cheikh Lo mu ngi ñu koy nous ñi bëgg ay spectacle à chaque fois nous dem fi mou joué dañuy kontaan xam ngeen ni ma di wax et euh, loolu lañuy may en attendant euh, li mu tuddee Balbalou di génn Cheikh Ndigal en attendant ce que nous ko décoré

comme salon yep, salon yep quoi normal quoi. D'accord. Qui a kii daf techniques pour euh, déco nest ce pas. oui Pop Cher, donc euh, mm-hmm. on va parler de récupération. Hein. on en a mm-hmm. parlé. Euh, Ken sànneetul dara. Ken sànneetul dara yenn say euh, wane woon ko ci suñu reportage boobu nga am ben armoire bo xamantene utiliser toko mhm. nga jël ko yóbbu ko ci sa menuisier mu defar ko de telle sorte que dang koy def salon. Mhm. d'accord mën na nek ci ben espace bo xamantene ci ngay accueillir say gan avec une euh, une petite télé euh toujours nga utiliser yenn euh, yenn élèves yenn par exemple du fil euh, pour pour mon codef siège bi. Mhm. c'est très magnifique je sais pas si Pape Samba il a le reportage il peut le faire passer après on pourra voir enfin. ce voilà ce que notre décorateur nous a proposé.